L'esclavage et les pratiques analogues à l'esclavage existent et persiste encore au Niger avec une acidité inimaginable en ce 21e siècle dont les réalités ne sauraient s'accommoder de ces pratiques pour les moins moyennes nageuses. Contre toute morale, cette pratique est tellement flagrante qu'il suffirait de faire un tour dans les zones de prédilection de ces phénomènes pour les découvrir dans ces manifestations les plus abjectes. Je m'en vais exposer quelques cas récemment identifiés. À Bankilare, c'est dans la région de Tilaberi. Hormis l'affaire de Fodi Mohamed où l'État du Niger a été condamné à payer 60 millions de francs CFA par la Cour de justice de la CDAO et dont une de ses filles se trouve actuellement chez son maître à Niamey. Plusieurs cas ont été découverts lors de la mission conjointe de la CNDH de Modria en août 2021. Dans le village de Ouratondi, des individus prétendument maîtres auraient décidé d'arracher des forces des terres à leurs prétendus esclaves au motif que les statuts de ces derniers ne sauraient leur conférer des droits de propriété foncière. Dans le même ordre d'idées, des divorces ont été suscités entre certaines femmes et leurs maris considérés comme esclaves. Au village de Danki, à une vingtaine de kilomètres de Niamey, cela fait une dizaine d'années que les populations ont été refusées de cultiver leurs champs et sont menacées de déguerpir. Le village qui, pourtant, a été créé par leurs ancêtres sous prétexte que, des parts de leur ascendance esclaves, ils n'ont pas le droit d'hériter des terres de leurs ancêtres. Le village de Kolanga, toujours dans la commune de Karma, un village administratif comme Denki, actuellement morcelé et en train d'être vendu par un soi-disant maître des habitants de dix villages. À Abalak, dans la région de Tawa, dans le cadre d'application des dispositions du code pénal relatives à l'esclavage, des personnes considérées comme maîtres ont été déposées à la prison civile pour avoir qualifié d'autres personnes d'esclaves, ce qui est inadmissible, d'où l'appel via des réseaux sociaux à un rassemblement insurrectionnel contre le juge en charge du dossier. L'État est interpellé afin de prendre des mesures appropriées pour mettre fin à cette pratique qui n'a que trop duré. Au nombre de ces mesures, je me dois de partager ces quelques-unes qui directs sont prévus par la loi. La mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes de la traite et l'esclavage. La création d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de l'esclavage. La dotation de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes en moyens conséquents à travers une allocation budgétaire suffisante pour mener à bien leurs activités en lien avec la lutte contre l'esclavage et la traite des personnes.